Il 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio a pour thème Initiative Zéro Classe Payote à Niamey, quel engagement pour les différents acteurs de l'éducation. Le président du conseil de ville de Niamey, le député maire Oumarou Moumouni Dougari, a organisé une table ronde qui a regroupé autour du Premier ministre Oumoudou Mahamadou les autorités de la ville et plusieurs acteurs et partenaires de l'école nigérienne le 6 juillet 2022 à Niamey. Intitulée Zéro classe en paillote dans la ville de Niamey, la table ronde entre dans le cadre de l'appropriation par les autorités de la ville de Niamey de l'initiative du gouvernement à rompre euh, de manière euh, définitive avec euh, les classes en paillotte au Niger. Pour l'atteinte des objectifs de l'initiative Zéro Classe en paillotte à Niamey, les initiateurs souhaitent mobiliser près de 20 milliards de francs CFA pour la période 2022-2024. Venant de la capitale, cette initiative s'inscrit assurément dans la logique de la pédagogie du bon exemple Selon le député maire, il s'agira de faire en sorte que tous les efforts consentis par le gouvernement en faveur de l'éducation soient rentabilisés à travers la mise en place d'infrastructures modernes et durables pour créer un cadre agréable et favorable à l'amélioration des conditions d'études pour les enseignants et les élèves. L'initiative Zéro Classe à en Niamey est d'autant plus utile et pertinente qu'on se rappelle du phénomène des incendies récurrents des classes en paillotte à Niamey, le pire exemple étant le tragique incendie qui a endeuillé plusieurs familles le 13 avril 2021 à l'école primaire au quartier Pays-Bas avec la mort d'une vingtaine de préscolaires. C'est donc partant de ce constat amer que nous avons décidé de tourner le dos aux classes en Payotte qui, si à un certain moment, a permis de résorber le manque de classe sont devenues aujourd'hui désuètes et surtout dangereuses pour les enfants. Nous ne pouvons continuer à regarder nos enfants calcinés dans des incendies de classe, a expliqué le maire Moumouni Dogari Oumarou. Pour ce faire, nous avons dans ce studio B Ali Abdou Moukela, secrétaire général adjoint de la ville de Niamey. Ali Abdou Moukela, bonsoir. Bonsoir. Et Alio Hassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base ISNEB et coordonnateur de la synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation SAZEF Niger. Alio Hassan Samna, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Nous avons également invité le ministère de l'Éducation nationale pour ce, euh, ce forum, mais aucun représentant n'a pris part à cette émission. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le SGA de la ville de Niamey. Ali Abdou Moukela, d'où est venue cette idée de l'initiative Zéro Classe en Payotte dans la ville de Niamey Bonsoir, euh, Mokhtar. Euh, l'initiative Zéro Classe Payotte euh, à Niamey émane du conseil de ville de Niamey, notamment sa tête, euh, qui est l'honorable député maire président du conseil de ville, Mourou Dogari Moumouni, euh, qui, euh, dès sa prise de fonction, a mis en place un document cadre de politique de développement de la ville de Niamey. Et dans ce document figure en bonne place l'éducation. Donc c'est partant de là ayant constaté, donc euh, c'était pratiquement à la veille de, son installation, euh, le 13 avril notamment 2021, qu'avait eu cette tragédie qui avait coûté euh, la vie à 21 petits du préscolaire au niveau du quartier qu'on appelle communément Pays-Bas de Niamey. Donc, aussitôt installé, le conseil s'est attelé à réfléchir sur la problématique de l'éducation dans la ville de Niamey et les infrastructures euh, occupent une place primordiale, notamment euh, cette euh, situation de classe en paillotte qui déjà avait causé cette tragédie, je le disais tantôt. Donc l'idée avant cette tragédie, rappelons que plusieurs établissements ont quand même été victimes de ce genre d'incendie. Oui, il est vrai qu'avant euh, la tragédie du Pays-Bas, parce que nous, nous l'appelons tragédie, euh, il y avait eu des incendies qui euh, avaient causé peut-être des, des pertes au niveau matériel, mais des pertes en vue humaine d'une telle ampleur, euh, c'est vraiment au niveau de l'incendie de, de l'établissement du quartier qu'on appelle communément Pays-Bas que tous les partenaires de l'éducation ont vraiment euh, vu l'ampleur des dégâts et surtout sur la perte de ces 21 innocents. Et à quoi ressemble cet établissement euh, du Pays-Bas qui avait été victime de, de cette tragédie Comme vous le savez, euh, le quartier Pays-Bas tout entier n'est pas un quartier loti, euh, ce sont des occupations précaires. Donc, euh, du coup, l'espace dédié même à l'école est très exigu. Donc, de ce fait, l'école n'a pas assez d'espace, ce qui a fait que même au niveau je vais anticiper les choses au niveau de la table ronde zéro classe payotte. L'un des volets et l'un des problèmes à résoudre par euh, cette table ronde et notamment le problème de l'espace au niveau des écoles. Parce qu'il y a des, écoles qui n'ont pas, pratiquement pas assez d'espace. D'autres, il y a des riverains euh, qui, peut-être, compte tenu de, du plan de lotissement et autres de la ville, ont se sont carrément installés dans les emprises des. des Ils ont grignoté dans la place euh, des établissements Donc, l'initiative Zéro Classe Payotte un de ses objectifs est de faire en sorte de toucher ces riverains-là, qu'ils se soient installés au niveau des écoles pour pouvoir peut-être leur trouver d'autres, euh, de les déguerpir, bon, je ne dirais pas déguerpir, de les négocier pour qu'ils puissent euh, avoir de la hauteur d'esprit et que, par exemple, la municipalité leur propose d'autres emplacements pour pouvoir euh, laisser assez d'espace pour les établissements scolaires. Ali Abdou Moukela, avez-vous euh, au jour d'aujourd'hui identifié les causes euh, de ces incendies récurrents dans la ville de Niamey Nous n'allons pas dire que nous avons déjà les causes de ces incendies, mais on remarque surtout que c'est en période de forte chaleur, notamment euh, dans les mois d'avril et peut-être dans une certaine mesure dans les mois de mai, peut-être que ce phénomène ressurgit très souvent parce que même en 2022, ici tout près au niveau du quartier Goudel et mhm. Kouarkano, il y a eu en l'espace de deux heures, trois heures de temps simultanément trois ou quatre écoles qui ont pris feu comme ça de manière inexpliquée, ce qui a engendré beaucoup de pertes au niveau matériel. Surtout, il y avait même euh, une institutrice qui a perdu son véhicule. Son véhicule a complètement cramé. Et il y a aussi des motos des enseignantes et enseignants qui ont cramé dans les incendies. Fort heureusement, et par la grâce de Dieu, ça n'a pas été comme euh, pour 2021 parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ali Abdou Moukela, dans la concrétisation et la mise en œuvre de ce projet, de cette euh, initiative, y a-t-il une synergie d'action entre la ville de Niamey, le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs clés de l'éducation qui sont les partenaires sociaux Nous disons que euh, dans cette initiative de Zéro Classe Payotte, nous avons associé à peu près toutes les sensibilités. Il y a l'État qui, l'idée et le prototype de classe à structure évolutive émanent même du ministère de l'Éducation. Notamment, on a pris ça avec euh, euh, le DREN, c'est-à-dire le directeur de l'Éducation nationale de la ville de Niamey. Je rappelle au, passage qu'ils ont été invités, mais ils n'ont pas voulu prendre part à ce forum. Allez-y. Qui la, direction régionale de l'éducation nationale. D'accord. Donc, euh, l'organisation de cette table ronde dite de zéro classe payote à Niamey a vu la mise en place d'un comité chargé d'organiser cette table ronde qui compte, qui comptait, disais-je, 54 membres. Donc, euh, que ce soit la ville de Niamey, le gouvernorat qui est représenté par, par exemple, euh, la responsable de l'éducation, le directeur régional de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, le directeur général de l'éducation nationale de DREN le directeur de l'urbanisme et beaucoup d'autres services relevant du gouvernement de Niamey ont été associés à ce projet et on a eu à travailler euh, un mois et demi durant pour pouvoir organiser cette table ronde. On a pris un mois et après on a fait au minimum 15 jours pour restituer les rapports finaux au président du conseil de ville. Donc euh, nous pouvons dire que tous les acteurs y compris par exemple l'intersyndical. Les, euh, les cinq représentants du Niger aux dernières élections interprofessionnelles ont été intégrés au niveau du comité. Mais malheureusement, à part euh, l'ITN, je crois bien, mhm. qui avait eu à envoyer un représentant du nom de Isako Omoru, qui est de la euh, du mhm. SINASEB, je crois bien. Pas lui, Par lui, niger et et ils disent qu'ils étaient en déplacement au niveau de. Ils étaient à l'extérieur. Donc seul l'ITEN a pu envoyer un représentant. Mais. De façon générale, de façon générale, toutes les parties ont été associés quand même parce que leur nom figurait clairement au niveau du, de l'arrêté portant création du comité ad hoc chargé d'organiser et de préparer l'initiative zéro, euh, la table ronde. Euh, sur le zéro classe par Merci Ali Abdou Moukaila, secrétaire général adjoint de la ville de Niamey. Nous allons revenir vers vous, Ali Hassan Samna, du secrétaire général du syndicat national des enseignants en deux bases. Quelle est votre appréciation au sujet de cette nouvelle initiative de la ville de Niamey Bien, merci. Euh, permettez-moi d'abord de te euh, remercier, Mokhtar, et remercier le studio Klangou et l'ensemble de ses partenaires euh, pour euh, vraiment votre combat citoyen, celui qui vise donc vraiment à contribuer au bon développement donc de notre pays, en l'occurrence l'éducation dont nous sommes acteurs. il faut, faut d'emblée euh, dire que l'intersyndicale de travailleurs du Niger, c'est un regroupement, c'est ça qui regroupe quatre centrales syndicales, l'USTN, la CNT, la CDTN et la CGSL Niger. Donc, euh, à partir donc euh, d'abord de ce choix, il euh, qu'il faut dire que la communauté urbaine de Niamey, la ville de Niamey, la ville de Niamey, donc a, raté le coche. Il a, il a, échoué dans le choix de ses partenaires, puisqu'il ne s'agit pas d'une action qui s'inscrit dans le cadre des travailleurs de façon générale, euh, mais c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation. Mais vous avez euh, des syndicats qui sont affiliés à ces centrales-là. C'était pour dire que c'est pour dire que euh, une centrale effectivement tient compte donc d'un certain nombre de spécificités. C'est pourquoi il y a de certaines actions qui concernent beaucoup plus les centrales, d'autres qui concernent les secteurs. Le SGA a pris bonne note. Donc, et je voulais dire également que cette action est une action tout à fait salutaire. Quoique nous ne soyons pas informés et associés dans cette approche, nous tenons quand même à montrer notre disponibilité, à accompagner euh, cette action que nous considérons comme étant une action très noble et une action euh, vraiment euh, d'utilité publique. Et nous estimons que c'est cela qu'il faut des autorités à tous les niveaux. Et la question d'infrastructure, il faut le rappeler, euh, s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large que la ville de Niamey. Euh, c'est euh, dans le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, volet éducation et formation, où cette question a été également posée. La prise en compte de cet aspect par l'honorable député maire de, de Niamey, nous disons que nous la saluons et nous sommes tout à fait disposés à accompagner euh, pour que nous puissions euh, régler ce problème. Vous savez, les syndicats d'enseignants, parmi les priorités, puisque nous, nous sommes là pour la qualité de l'enseignement. Or, quand on parle de qualité de l'enseignement, il va falloir remplir un certain nombre de, problématiques, un certain nombre de, problèmes face auxquels il faut d'abord trouver solution. Et parmi ces problèmes, effectivement, il y a cette question donc d'infrastructure, cette, question de construction des classes. La ville de Niamey est à saluer, mais nous disons simplement que la ville de Niamey devrait également euh, voir beaucoup plus large euh, beaucoup plus large. ça veut dire que le problème que nous avons au niveau de, de la ville de Niamey, euh, je l'ai dit en tant que responsable de syndicat d'enseignants, et je l'ai dit également en tant qu'enseignant, et je l'ai dit en tant qu'enseignant de terrain. Ça fait juste euh, moins d'un an que j'ai quitté une école. Je sais que le problème au niveau de Niamey, des classes payotes, n'est pas forcément et n'est pas exclusivement la nécessité de construire des classes je, voulais m'expliquer en mhm. disant que, vous voyez, Niamey devient une très grande ville. Euh, qu'est-ce que cela sous-entend Ça veut dire que il y a un mouvement de la population de centre-ville vers la périphérie. Et déjà, une ville, quand elle s'installe, euh, c'est avec tout ce qu'il y a comme service. C'est-à-dire, il y a les classes, il y a, etc., etc. Vous voyez, tout ce que nous avons comme classe au niveau des centres-villes de Niamey aujourd'hui euh, sont des classes euh, dans beaucoup d'écoles aujourd'hui euh, qui ne servent à rien. vous voulez dire que les populations abandonnent les centres-villes pour... C'est comme ça dans tous les euh, pays du monde. Pour se retrouver à la périphérie. À la périphérie. Donc il y a déjà des classes qui sont là, ah. qui sont là. C'est des pistes de solutions. Oui, mais oui, mais nous sommes disposés à le faire, nous le disons humblement et honnêtement, et parce que vous savez, tous ces aspects devront rentrer mhm. dans le cadre de la préparation du forum. Et si on était acteur, on allait faire toutes ces propositions pour qu'on voit comment régler. Puisque quand on voit dans la logique de la ville de Niamey, nous avons 1900, 1929 classes payotes qu'il faut remplacer. Non, le problème c'est en les remplaçant de 2022 à 2024, le problème peut rester intact. Je m'explique. Ah. Pourquoi Simplement parce que de 2022 à 2024, il y aura combien de besoins de, euh, nouvelles classes payotes À la périphérie de Niamey. Mais c'est clair. Si on règle aujourd'hui, supposons de façon, de façon mécanique que la ville de Niamey arrive à construire les, 129, euh, les 1929 classes payotes de Niamey et les transforme en 2000, de 2022 à 2024 en classe matière définite, le problème sera posé puisque le facteur population de 2022 à 2024, il y aura combien d'enfants qui seront en âge d'aller à l'école On aura combien de besoins de nouvelles classes Parce que tout cela... Peut-être que l'initiative suivra son cours normal. Tout cela devrait rentrer dans le cadre. Vous savez, et vous savez, nous avons suivi, nous avons suivi les interventions des uns et des autres. Si aujourd'hui eh, la ville de Niamey peut d'emblée donner un milliard, euh, mais c'est une contribution euh, qui ne peut pas être une, contribution indéfinie, indéterminée. C'est-à-dire la ville de Niamey ne sera pas à mesure euh, de pouvoir investir ce montant chaque fois. Mais si la ville de Niamey fait la pression sur elle, en dépit de ses besoins qui sont énormes, il faut le dire, et que la ville de Niamey accepte de pouvoir financer à travers ce montant que nous avons apprécié et que nous apprécions d'ailleurs, et que nous continuons à encourager la ville de Niamey à faire mieux donc, mais ça ne peut pas être de façon continuelle. Mais il va falloir s'inscrire dans une logique où, lorsqu'on aura investi ce montant, lorsque eh, les partenaires auront contribué, lorsque les parents d'élèves, eh, pendant un moment donné, arrivent à se sacrifier pour qu'il y ait ces classes, alors c'est pour que eh, la question de classe payote puisse vraiment prendre fin. Mais dans la logique actuelle, c'est-à-dire nous allons régler le problème, mais nous allons trouver un autre devant nous et on risque de se retrouver dans un cercle éternel. C'est pourquoi nous disons tout à l'heure qu'il y a beaucoup de paramètres qui devront être examinés pour que lorsque euh, euh, ces, contributions ont été faites, que cela puisse permettre le règlement des problèmes. Et vous voyez la coordination. Aujourd'hui, je prends l'exemple, moi, avant-hier seulement, il y avait une réunion des parents de à laquelle j'avais assisté. C'est au niveau de, c'est les directeurs d'école et les présidents des APE, où on demandait déjà aux parents d'élèves, à chaque parent, par rapport à chaque élève, de préparer une cotisation de 3 000 francs, euh, qui, les 3 000 qui vont servir. Donc vraiment à appuyer cette initiative de l'honorable député maire. Très bien. Mais vous voyez déjà à la rencontre, euh, on sent un problème de coordination. Et tant que toute action, qu'elle soit noble, tant qu'elle n'est pas bien coordonnée, alors il y aura beaucoup de chances que cette action ne puisse pas atteindre ses objectifs. Déjà, je, vous disais à cette rencontre, les se poser la question, mais écoutez les 3000 dont on parle. C'est 3000 par parent ou 3000 par élève D'abord, c'est une, une, question. Et les 3000 vont être remis à qui Qui va les gérer On dit non, il y a un compte. Il y a un compte qui sera ouvert. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous savez, toute action, avant sa mise en œuvre, doit avoir une coordination claire, nette et précise. Nous accordons beaucoup d'importance à ça en tant que syndicat national. Connaissons bien le Niger. Nous connaissons très bien notre pays et connaissons très bien nous-mêmes Nigériens, c'est-à-dire les acteurs que nous sommes, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs au niveau des syndicats de l'éducation, que ce soit les acteurs au niveau des autorités, euh, des ministères en charge de l'éducation, que ce soit le niveau national ou régional, nous savons comment nous sommes. Donc tant que certaines difficultés n'ont pas été d'abord plombées, c'est-à-dire réglées en amont, alors on aura une très belle initiative, on aura la volonté des uns et des autres de pouvoir accompagner, mais le problème risquerait de rester. Donc c'est en fait euh, euh, cela la préoccupation au niveau du SNEP, au niveau de la synergie d'action des syndicats de l'éducation, où nous avons estimé que peut-être il n'est pas trop tard que la, la ville de Niamey va essayer de voir comment euh, faire en sorte que effectivement euh, ces choses-là ne puissent pas. Dès le, dès, le, jour du départ, nous, nous estimons que nous sommes exclus. Mais comment peut-on véritablement mais, il y avait eu un représentant de votre euh, synergie, à, savoir non, non, qui avait assisté. Non, non, non, écoutez, nous ne voulons pas polémiquer autour de ça. Il ne sert à rien de polémiquer. Ce n'est pas pour faire un débat autour de ça. C'est pour contribuer. Maintenant, à la ville de Niamey de voir la pertinence ou pas. Nous disons, lorsqu'on pose un problème des travailleurs il, s'est bien indiqué l'ITN. Mais quand il s'agit d'un problème spécifique, que ce soit de santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'assainissement, il va falloir faire en sorte que ce soit les acteurs concernés. Mais au niveau de la ville de Niamey, il y a, il y a les syndicats des, travailleurs au niveau de la ville de Niamey. Mais pourquoi ne travaillent pas avec les centrales et ignorer leurs syndicats Mais ils ne le font pas. Oui, parce que effectivement, les syndicats sont les mieux indiqués pour pouvoir contribuer de façon efficace. Ceux qui ont, ceux qui ont participé au nom de... Quand, quand, oh, quand on, va amener une convocation pour dire que, eh, écoutez, nous, nous allons euh, convoquer eh, l'ITN et qu'on envoie, par exemple, hein, je prends un exemple, on envoie un infirmier ou on envoie, par exemple, euh, euh, parce que un transporteur, ou on envoie... Est-ce que le, problème est réglé Alors que l'acteur... Aujourd'hui, on joue le syndicat de l'éducation, même si on estime souvent les gens, vous savez, les gens disent qu'il y a beaucoup de syndicats, les centrales sont représentatives parce qu'il y a des syndicats qui sont dans ces centrales. Par exemple, nous, au SNEP, le nous faisons partie de l'USTN. Si on dit que l'USTN est représentative, alors même si c'est sur la base des sécuritaires, nous estimons qu'il faire ça. Mais il était mieux indiqué de travailler avec les organisations existantes dans la mesure où, dans le secteur de l'éducation, il n'y a pas eu de leçons professionnelles. Donc, euh, vraiment, euh, je voulais, euh, avant qu'on nous revienne, mmh, Rapidement. dire que cette initiative peut réussir mais il va falloir dès à présent euh, corriger un certain nombre de choses et tenir compte d'un certain nombre euh, de réalités. Et tu sais, quand on parlait des classes payotes, euh, j'étais de tête de quoi je vous l'ai dit. Il y, avait, il y avait une école dans laquelle les classes payotes de l'UNICEF, les pâtes de l'UNICEF, c'était des hangars améliorés avec des bâches Mais on l'avait fait dans des écoles où on n'avait même pas besoin. Il, la ville de Niamey a construit ses classes dans des écoles où il a fallu le vent pour les déchirer. Au même moment où dans la même ville de Niamey, nous avons des écoles toutes entières en paillotes, où, les directeurs criaient, cramaient, faisaient tout pour qu'on puisse leur construire des classes paillotes. Mais on a installé ces hangars dans des, dans des écoles où on n'en a pas besoin. J'arrive, c'est pour dire que, vous voyez, eh, la pertinence. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut cibler. Et pour cibler, vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut que la ville de Niamey accepte de le faire avec l'ensemble de ses partenaires. Merci beaucoup Ali Hassan Samna. Ali Abdou Moukaila, vous avez euh, suivi les inquiétudes des, partenaires sociaux. Euh, Ali Hassan Samna, que répondez-vous à ces inquiétudes-là Merci beaucoup, M. Euh, Monsieur Mokhtar. je remercie M. Samna pour la pertinence de ses observations. zéro classe payote, le comité chargé d'organiser cette table ronde, je vous le disais tantôt, était très large. On avait tous ceux qui a comme couche socio de, ce, de cette ville en font partie. Maintenant, la question de, de la participation des uns et des autres ne dépend pas de nous. À notre niveau, c'est de les associer. Et je crois qu'on ne s'est pas un peu compris au niveau des centrales syndicales. Je disais bien qu'on a pris les cinq centrales syndicales les plus représentatives aux dernières élections interprofessionnelles Hmm? la CDTN, l'USTN, ou bien quoi La CGSL Niger. La Niger. On a bien noté au niveau, des, au niveau de l'arrêté, le secrétaire général, on, on, on, a cherché leur nom, leur identité, et on écrit le nom du secrétaire général ou son représentant. Et parmi ces cinq centrales syndicales, seule, la seule centrale syndicale a eu la grandeur d'esprit de nous envoyer un représentant. Maintenant, les quatre, les quatre là n'ont rien fait. Et ça, ils peuvent s'adresser au, drain pour le, pour le vérifier. Et je peux aussi fournir, je ne suis pas venu avec une copie de l'arrêté. Donc, il y a le, les représentants de la chefferie traditionnelle, il y a les députés au titre de la ville de Niamey, il y a le COGES, il y a les parents d'élèves, il y a le points eh, ce qu'on appelle point focal de l'éducation ou quoi là. Mm-hmm. Hmm? Il y a l'AMFIC, l'Agence d'ingénierie de financement de euh, des collectivités territoriales. Donc, on a associé ce beau monde-là. Ali Abdou Moukela, SGA de la ville de Niamey, avez-vous pensé à toutes les autres difficultés de la concrétisation et la mise en œuvre de ce projet Oui, c'est pas pour rien que on a pris un mois pour organiser du 6 juin au 6 juillet la table ronde. On a encore pris du 7 juillet au 22 juillet pour faire le rapport général de restitution qui est là, de la table ronde. Et après cela, le président au moment de la restitution, avait pris l'engagement de mettre en place une cellule qui sera, euh, qui sera chargée du suivi et de l'évaluation de, tout ce qui sera amené à être fait. Donc, je disais, je rebondis un peu aussi au niveau du fait qu'il a parlé des ratios au niveau des écoles. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au niveau de, par exemple, la commune 2 et la commune 3, comme il l'a dit, les gens ont quitté le centre-ville pour la périphérie. Mais, quand cela ne tient, au niveau du comité d'organisation de la table il y avait quatre sous-comités. C'est même scindé en quatre sous-comités. Le premier sous-comité, là, on appelle ça état de Dieu. C'est ce sous-comité qui avait travaillé avec la draine pour essayer de passer école par école, essayer de, relever le besoin, de, relever le ratio d'élèves par classe et le besoin en salle de classe. Tout a été minutieusement réfléchi et a été accouché sur ce qu'on appelle un TDR, avant même la table ronde. C'est ce TDR qu'on a eu à envoyer à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les acteurs, à toutes les sociétés, à tous les participants au niveau de la table ronde. Il n'y a pas un seul participant qui n'a pas reçu son TDR donc pour pouvoir parcourir avant même de venir au niveau de la table ronde. Merci Ali Abdou Moukela. Nous allons observer une courte pause. Je rappelle que nous avons également invité le ministère de l'Éducation nationale pour ce, euh, forum, mais aucun représentant n'a pris part à cette émission. Alio Hassan en tant qu'enseignant, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système d'enseignement de façon générale au Niger Bien, euh, permets-moi de juste placer un mot de l'intervention de Monsieur le Secrétaire général allez rapidement. Euh, en disant simplement que, euh, monsieur le secrétaire vous savez, les centrales, euh, si elles sont absentes, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées. Nous, quand il s'agit de la question de classe en tant qu'enseignants, nous qui vivons dans les hangars, c'est des occasions sur lesquelles nous allons bondir et nous ne pouvons pas nous absenter. voyez, donc tout cela fait partie des, choses que nous pensons que vous allez corriger. Donc le système, le système éducatif nigérien aujourd'hui, il faut dire que le président de la République l'a dit dans son discours le système, l'école nigérienne, elle est totalement malade. Et même à travers son message à la nation euh, d'avant-hier, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Niger, le, les, 3 août passé. Oui, le président de la République l'a rappelé. Il a dit que nous avons, nous avons un problème sérieux c'est le problème de l'école. Et je suis d'accord avec son excellence, le président de la République, parce que aucune nation ne peut se développer sans éducation. tant qu'on n'arrive pas à régler le problème de l'éducation, tel que soit ce que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train de crier et hurler sur euh, le gasoil, le prix du gasoil. Nous avons du pétrole, on l'a extrait, on l'a raffine ici chez nous. Nous avons un problème. Nous avons l'uranium, nous avons le charbon, nous avons du ciment, etc., etc., etc., etc. Vous voyez, tel que soit ce que nous avons comme richesse, tant que le problème de l'éducation n'est pas réglé, c'est-à-dire que nous n'allons jamais décoller, c'est-à-dire nous allons être classés derniers et nous n'allons pas pouvoir régler nos problèmes. Et vous avez, vous avez suivi avec nous lorsque le président de la République parlait des résultats du BEPC et du, BAC cette année. Mais c'est regrettable. Tout Nigérien devrait avoir honte. Tout Nigérien devrait avoir honte. Pourquoi Honte du résultat. Regardez les montants qui sont les, montants. Les, résultats euh, sont assez catastrophiques à ce point. Le président de la République l'a dit, moins de 30%. Comment pouvez-vous comprendre qu'on investit des milliards et des milliards, qu'on entretient des enseignants à des coûts des milliards, qu'on paye tout ce beau monde et que les fils du Niger, parce que c'est des Nigériens qui vont à ces examens échouent. Si 30% d'élèves échouent, moins de 30%, cela veut dire quoi Au BPC, ils sont, ils sont, c'était 27%. On a eu à peine 27%. Mais je vous l'ai dit, ça veut dire que le Niger est un pays qui a un avenir sombre. Ah ah, ah, un avenir sombre. À ce, niveau, à, qui, à, qui, la faute La faute, elle est à nous tous. Elle est collective. Nous, en tant que oui, non, nous, en tant qu'enseignants. Puisqu'il faut dire, en tant qu'enseignant, vous savez, de notre contribution, parce qu'en dehors de ce que nous faisons, les débats publics, nous écrivons aux autorités, en toute responsabilité, pour dire, voilà, par rapport à un aspect, comment il faut faire pour régulariser. Nous avons dit, nous avons dit récemment, à travers ce qu'on avait envoyé, nous l'avons envoyé, euh, moi personnellement, hein, au ministre de l'Éducation nationale pour dire que, Excellence, monsieur le ministre, nous avons un problème. Quand des élèves qui sont en demi, en classe de sixième, vont et qu'à la fin de l'année, 70% des élèves se retrouvent renvoyés, le Niger est menacé. Dans son existence. Dans son existence. Ne nous plaignons pas des bandits armés. Ne nous plaignons pas des rebelles ou des terroristes. Lorsque des jeunes enfants qui doivent être à l'école ne sont pas à l'école, mais vous voulez qu'ils se retrouvent ailleurs. C'est cela ce que ça veut dire. Ils vont se retrouver ailleurs. Mais on peut les récupérer à travers la formation professionnelle. Il faut un système. Non, la formation professionnelle, le système d'orientation au niveau des écoles professionnelles cause problème. Dans les réformes, il devrait avoir une cohérence. Parce que l'éducation est holistique. C'est-à-dire l'éducation on ne peut pas, holistique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ça doit être général. C'est-à-dire du primaire, l'éducation, quand on veut régler son problème, ça doit être du primaire à l'université. On ne peut pas segmenter l'éducation. Regardez aujourd'hui, quand l'éducation nationale est séparée de la formation professionnelle, des élèves qui ne sont pas orientés. Déjà, il faut prendre le cas des enfants qui sont admis au CFPD, e qui ne sont pas orientés. Et dans la réforme de suppression du CFPD, e ces jeunes enfants devront se retrouver dans des centres de formation ou des centres d'apprentissage. Ces enfants d'abord qui ne sont pas orientés, ils sont d'abord dans la rue. Premier aspect. Deuxième aspect, les 70% au moins, j'étais euh, euh, à la revue, à la revue du PTSF qu'on avait organisé récemment. Je vous dis 70%. PTSF, ça veut dire quoi Programme sectoriel de l'éducation et de la formation, du, secteur de l'éducation et de la formation. Programme sectoriel, de transitoire. donc, vous voyez, donc écoutez, je vous dis, 70% des élèves des classes de 6e, dont le grand nombre est constitué par des filles, sont exclus en classe de 6e. Ça veut dire que les 30% qui restent là, alors combien d'élèves vont atteindre la classe de 3e, passer pour venir au bac et aller à l'université C'est dramatique. Donc, c'est pourquoi vous avez vu le problème, ce problème doit être pris vraiment, euh, euh, euh, vraiment avec beaucoup de sérieux. Euh, sinon, je vous le dis, il arrivera un moment où l'autre État va disparaître de lui-même. Merci, merci. Disparaître. À, merci On va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Abdou Ali Moukaila, secrétaire général adjoint de la ville de Niamey. Monsieur le SGA, euh, pour la bonne réussite euh, de cette initiative dont vous êtes porteur, que doit être la responsabilité des différents acteurs à tous les niveaux Merci beaucoup, Mokta. La responsabilité des acteurs à tous les niveaux, elle est grande le problème de l'éducation au Niger est structurel, c'est-à-dire euh, la décadence de notre système éducatif a commencé avec euh, notre génération. Parce que je suis un jeune de presque 40 ans et je me souviens qu'on a expérimenté le système de double flux avec nous. Quand tu fréquentes le matin, le soir, tu restes chez toi. Et je vous, je vous parle des années 80. Donc c'est structurel. Tant que c'est pas toute la politique qui a été revue depuis ces années jusqu'à maintenant, il ne faut pas qu'on croit à des miracles. Lui, il a généralisé, et mais moi je dis que c'est un problème structurel qu'on a raté. Depuis ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel et ajustement structurel renforcé. Donc, depuis ces années, le Niger pratique une éducation de masse. et non pas de qualité. On veut élever le taux euh, de scolarisation et laisser le taux de réussite. Donc, ah, c'est là le, la, grosse difficulté. C'est la grosse difficulté. On veut avoir un taux élevé de scolarisation pour pouvoir peut-être miroiter et puis faire comprendre aux gens que euh, tout, tout, se passe pour le meilleur du monde. Alors que la qualité ne suit pas. Ah. Si nous pouvons élever le taux de scolarité du, du Niger, il faut aussi dans la qualité. de l'éducation, je vous assure. Donc, ce problème, c'est un problème structurel. Maintenant, concernant euh, ce que nous concerne, euh, mhm. l'initiative zéro, comment, faire pour que euh, ça réussisse Bon, la réussite de l'initiative Zéro Classe Payotte dépend de tous les acteurs impliqués. L'engagement. L'engagement de tous les acteurs impliqués dans l'initiative. Un, ça dépend des autorités au plus haut niveau. Ah, le président de la République euh, lui-même Oui, son Excellence et son euh, gouvernement. son gouvernement. Oui, le chef du gouvernement Oumoudou Mamadou. Donc, si nous avons élaboré cette initiative et que, par exemple, vous avez vu euh, la ville de Niamey, quant à elle, c'était une table ronde et c'était en direct, et la ville de Niamey s'est consentie sur les trois années à venir. de la programmation a débloquer 1 milliard au lieu de débloquer 500 000 pour mettre en place des classes en paillotte qui ne résistent pas aux intempéries. Ils ont contenté peut-être à doubler la mise pour pouvoir construire, par exemple, en année 1, 215 classes à structure évolutive. En année 2, 180. En année 3, 105. Plus la finition des autres et ainsi de suite. Il a dit qu'on ne va pas résoudre ce problème. Ce problème sera résolu. Parce qu'en 2023, nous aurons exactement besoin de 329 classes. En 2024, nous aurons besoin de 340 classes supplémentaires. Donc, ce problème, si cette année, le besoin de 1024 classes que la ville aura besoin, si on soustrait les 690 de l'État et les 215 de la ville, il va rester exactement 1024. Si les 1024, on a pu réaliser les 1024, par exemple, sur la programmation de 2022 à 2024, c'est-à-dire sur les trois ans là. Maintenant, ce qui s'ensuit, la municipalité, compte tenu du décret 2016-015 du président de euh, PRN du 26 janvier 2016 portant transfert de compétences et de ressources de l'État aux communes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement, c'est une obligation. C'est-à-dire, c'est pas que la ville de Niamey veut résoudre ce problème. C'est une obligation. C'est-à-dire depuis la date dont je vous parle, là, depuis le 26 janvier 2016, là, mhm. Et à travers le, transfert de compétences. Le transfert de compétences et de ressources, la municipalité, la commune a l'obligation de prendre en charge tous ces volets sociaux-là. Mhm. Donc, c'est pourquoi nous, nous y croyons à cette euh, initiative et nous allons faire tout pour pouvoir aboutir à des résultats vraiment eh, meilleurs. Ali Abdou Moukela, avez-vous aujourd'hui le soutien des partenaires techniques et financiers euh, de l'État pour la concrétisation et la mise en œuvre euh, de, cette initiative Oui, euh, comme vous l'avez suivi peut-être en direct le jour-là, le 6 juillet, nous avons touché tous les acteurs de l'éducation. Maintenant, les partenaires techniques et financiers, la plupart d'entre eux n'interviennent pas à Niamey. Et c'était le véritable problème qu'on a eu à rencontrer parce qu'ils ont des interventions dans les autres régions, mais à Niamey, tout le monde s'accorde à dire que tout va, bien à Niamey. Voilà. Donc, ça, ça a été un point de départ pour faire comprendre aux partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, tout comme des autres secteurs, que Niamey ne devrait pas être marginalisé en ce qui concerne leur intervention parce que Niamey aussi en a grand besoin. Capital, miroir du pays, vitrine, du, pays, et on dénombre presque 2000 classes en paillotte. C'est contradictoire. Merci beaucoup, monsieur le SGA de la ville de Niamey, Alio Hassan Samna. Après la péripétie des évaluations, euh, celle du redéploiement, euh, de la mise à niveau des enseignants puis des élèves, l'on assiste en faveur des transferts de compétences, comme vient de le dire M. le SGA de la ville de Niamey, à une recomposition des inspections primaires de la région de Niamey. Comment vous trouvez-vous la démarche Mais vous savez, euh, par, rapport à cette par rapport à cette réforme, c'est une réforme du gouvernement euh, qui avait effectivement amené euh, à ce que le primaire et le secondaire puissent se retrouver. À son temps, nous l'avons dit. Nous avons dit que euh, c'est quelque chose qui n'est pas une mauvaise chose euh, si elle est faite dans, dans l'art. Et malheureusement, vous avez vu quand on a euh, jumelé ces deux ministères, aujourd'hui, il y a cacophonie. Il y a confusion de rôle. Entre, entre et dedep on ne sait pas qui fait quoi. Ouais, donc vraiment, c'est un véritable problème face auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et par rapport maintenant. Rapidement, oui, par rapport maintenant à notre thème, parce qu'il faut le dire, euh, monsieur le secrétaire général est très optimiste. Et il pense c'est déjà une bonne chose, non Et il pense que oui, c'est un homme politique. Et il pense qu'ils vont réussir. Mais nous, en tant qu'acteurs, en tant que responsables syndicaux, nous, par rapport à ce, nous, que nous avons vu, nous sommes disposés à le faire. Mais à ce que nous avons vu comme départ et à travers les actes qui sont en train d'être posés, nous, nous sommes pessimistes par rapport à l'atteinte de cet objectif pour les raisons suivantes. premièrement, euh, il faut dire que, euh, vous savez, au Niger, la politisation à outrance des activités est là. Aujourd'hui, euh, monsieur le secrétaire général, nous, nous craignons que dès que le premier marché commence à être donné, que ce soit aux militants et non aux personnes compétentes et capables de faire des œuvres salutaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont construit des classes. L'année qui suit, la classe est tombée. Rien n'est arrivé à ces gens. Et en dehors de cela, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une véritable coordination des efforts. Ne comptons pas, monsieur le ne comptez pas sur les partenaires techniques et financiers pour vous financer votre projet. Le rôle du gouvernement, de la République du Niger, c'est de confier notre secteur éducation à des, à des partenaires techniques et financiers. Et il faut dire, par exemple, je prends la question du curriculum qui aujourd'hui, dont on attend le financement, parce que ça devrait être fait par, par, les autres. Comment les, les, autres vont financer, les blancs vont financer votre éducation, vous voulez faire l'entrée par les langues. Vous allez enlever le français pour commencer par les langues traditionnelles et vous voulez que vous donniez votre argent pour réussir. Merci beaucoup, Merci. Nous sommes au terme de ce forum du studio nous avons eu le plaisir de recevoir Ali Abdou Moukela, secrétaire général adjoint de la ville de Niamey, et Ali Ohassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base du SNEB et coordonnateur de la synergie d'action des syndicats de l'éducation et, de et de la formation SAZEF Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci, au revoir.